Monsieur l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Sindia, qui représentait ici Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le coordonnateur du PROCASSEF, Monsieur les chefs, Messieurs les chefs de village de la commune de Thiès, Messieurs les représentants des maires invités, Monsieur le maire Chartigan Diouf, Madame le maire Maria mes très chers adjoints et adjointes, mesdames, messieurs les élus locaux, les conseillers municipaux de la commune de Yass, monsieur l'architecte du PROCASEF, monsieur l'entrepreneur en charge de l'exécution des bureaux fonciers, notamment au niveau de la commune de Yass, également au niveau du GRAP 1, euh, mesdames, messieurs, les représentants des différentes structures ici représentées, Monsieur le commandant de brigade de la gendarmerie de Gias, Monsieur le représentant de la DESCOS, Monsieur le représentant des eaux et forêts, Monsieur le commandant en charge des services d'hygiène, très chers amis et invités, en vos rangs, grandes et qualités, Mesdames, Messieurs les notables de la commune de Gias, très chère population de la commune de mesdames, messieurs de la presse nationale mais également locale, s'il y a une chose qu'on aurait pu retrouver dans les cinq besoins essentiels énumérés dans ce qu'on appelle communément la pyramide de Maslow, c'est bien le toit ou le lieu d'habitation dans la pyramide des besoins essentiels célèbre du célèbre psychologue américain Abraham Harold Maslow. Nous pensons que le lieu d'habitation devrait être érigé à la fois à la base de cette pyramide, mais également au sommet. Pour bien manger, dormir et se vêtir, il faut le faire dans une maison, de préférence dans sa maison pour être en sécurité, avec un sentiment d'appartenance à la communauté, d'estime de soi et d'accomplissement en tant qu'individu, il faut être dans une maison, de préférence dans sa maison. Les économistes s'accordent à dire qu'à l'échelle des nations, tout travail d'aide à la sécurisation foncière est un acte vivant du développement des pays c'est briser le foncier, donc c'est attirer l'investissement à la fois familial et privé. Très chers concitoyens de la commune de Dias, vous imaginez la joie du maire de Dias que je suis d'inaugurer la série de poses de première pierre des bureaux fonciers offerts dans le cadre du Procasef. L'acte posé aujourd'hui est une étape importante dans le travail titanesque de mise en œuvre d'un cadastre à l'échelle nationale avec une véritable sécurisation foncière dans nos zones de terroir. Le projet cadastre et sécurisation foncière, TROCASEF, est une véritable aubaine en cours d'exécution dans 138 communes dans les 14 régions du Sénégal, organisées en 5 grammes. Et aujourd'hui, la pose de première pierre à l'échelle nationale démarre par le premier grand et le choix porté par le coordinateur du PROCASEF et de faire cette pause de première pierre ici dans la communauté. Jazz. La commune qui abrite entre autres l'aéroport international Blaise Jazz. La commune qui abrite la zone économique spéciale intégrée. Jazz. La commune qui abrite l'essentiel du projet de port de Naya. Je peux même dire les 4 cinquièmes, voire les 3 quarts de cet impressionnant projet de port de Naya. Jas donc ne pouvait être en reste. Jas ne pouvait être en rade du navire Procassef. C'est pourquoi un mois après notre installation comme maire, je dis bien un mois après, nous avons entamé en mode fast-track la procédure qui nous a menés à la signature de la convention avec le professeur. Monsieur le coordonnateur, depuis lors, pas à pas, la commune de Yass a suivi tout le processus qui a mené jusqu'à la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Ce processus continuera encore et encore après la pause de première guerre. C'est le lieu de vous remercier, monsieur le coordonnateur, mon très cher Mohamed Moustapha et l'ensemble de vos collaborateurs avec une mention spéciale pour M. Koné, le chef de groupe, mais également l'infatigable Madame Ba, qui a travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cette belle manifestation. Parlant de manifestation, je peux continuer sans remercier nos actrices qui ont fait une excellente prestation tout à l'heure. Le groupe Safi Safi, dirigé par notre cher fils Papis, mais également l'inusable, l'indémodable, l'international, notre très cher Iri Fay, du collectif de Iri avec sa troupe internationale, sa troupe Kolkiof. Iri, au nom de toute la population de Diaz, Papis, au nom de toute la population de Diaz, nous vous remercions pour cette belle prestation que nos illustres invités ont très bien appréciée. Monsieur le coordonnateur, en plus du bureau foncier offert, qui nous vaut l'instant de la cause de cette première pierre, la convention que nous avons signée avec le Procasset recoupe entièrement nos objectifs. Objectifs et préoccupations centrés autour du citoyen. Comment donner au citoyen de le sésame d'un document Document qui donne une identité et une sécurité à son lieu d'habitation d'habitation ou d'activité économique, voire même d'activité sociale. Comment faire que ce lieu soit un ensemble, soit dans un ensemble cadastral cohérent, qui sécurise l'individu et la collectivité. Alias, fort heureusement, le conseil municipal nous a donné délibération de vérifier, régulariser et faciliter la délivrance des actes administratifs à caractère nous l'avons lancé depuis plus de deux ans avec une digitalisation de tous les registres fonciers trouvés sur place et qui sont désormais traités via une application maison que nous avons développée en interne. Nos conseils municipaux nous ont donné également mandat d'accompagner les concessions des maisons traditionnelles pour une délivrance d'actes sur des bases sociales. Nous avons déjà délibéré sur un tarif quasi gratuit et allons bientôt lancer cette vaste opération de délivrance d'actes prenant en compte la dimension cadastrale mais également domaniale. Le même conseil municipal nous a demandé d'accompagner socialement les opérations de restructuration concertées, j'insiste bien sur le terme concerté, de nos quartiers et maisons. Nous allons faire bientôt, de concert avec les conseils consultatifs des villages, avec à la clé une meilleure occupation de l'espace et une validation par les services de l'urbanisme, du cadastre et des autres. Nos élus locaux nous ont également demandé de veiller au respect des lois et règlements en matière de lotissement autorisé, ainsi que le lotissement autorisé de compte aussi des zones d'habitation ainsi que des zones d'occupation économique et sociale, sur lesquelles nous avons déjà fait des projections au nom du concept Khaïdek ou de prix. Nous sommes largement là-dessus avec un strict respect des niveaux de validation des services techniques et quand nous serons en phase de mise en œuvre, les populations seront totalement impliquées dans la plus grande transparence. C'est dit que la rencontre entre la commune de Dias et le Procassef est celle de deux ambitions identiques. Identique et orientée vers le citoyen. Le Procassef est pour Dias une sorte d'ascenseur pour aller plus vite et, mieux dans la transparence et l'équité. Mesdames, Messieurs, sur tous ces chantiers, la commune de Dias est à l'œuvre avec le souci de placer le citoyen au cœur du dispositif. Nous avons beaucoup avancé dans la cartographie embryonnaire, certes, que nous renforcerons avec le PROCASIF. Nous avons également beaucoup avancé dans la planification spatiale, que nous allons renforcer également dans le cadre du PROCASIF. Nous avons aussi travaillé beaucoup dans l'inclusion à travers la concertation érigée en règle avec les conseils consultatifs de village et le traitement des dossiers dans le respect des lois, procédures et règlements en matière foncière, domaniale et surtout d'urbanisme. C'est le lieu pour nous de demander, monsieur l'actuel au sous c'est le lieu pour nous de demander plus de célérité dans le traitement de nos dossiers par les services de l'État. Nous savons qu'ils nous accompagnent bien et qu'ils vont certainement accélérer le rythme, notamment au niveau des domaines et de l'urbanisme pour mieux répondre aux exigences des citoyens de la commune de Monsieur l'actuel sous-préfet, notre commune, sur budget propre, a déjà investi énormément. Énormément, je dis Nous avons réalisé 30 points de recouvrement normalisés pour pour les déchets, en plus des huit offerts par nos partenaires de la place. Cela a fait curieusement de Jess, la commune la plus servie du Sénégal en PRL sur toute l'étendue du territoire. Nous avons fait deux pistes rurales pour un sur un lien de plus de 8 km. De nouvelles pistes. Cela a fait de une heureuse exception nationale. La première fois, il y a un maire qui m'a dit Monsieur le maire, comment une commune peut faire des pistes rurales je le dis, c'est parce que c'est une nécessité et nous sommes un membres de l'État. Nous avons également, en plus des 200 lampadaires offerts par l'État dans le cadre du programme Alain, nous avons ajouté déjà 105 autres lampadaires. Et nous n'allons pas nous en arrêter là, parce que nous voulons que Diaz soit une ville bien, une commune, la commune la mieux éclairée du Sénégal. Nous avons réalisé également toute salle de classe. Les investissements communaux vont continuer à Dias. Nous sommes en train, sur le budget propre, de réaliser beaucoup d'autres investissements. Notre chantier de stade municipal, que rappelait tout à l'heure Poussé, ce chantier est aux normes FIFA. Avec une police synthétique, un éclairage, mais également des gradins de 1000 places et ce chantier est très avancé, de même que celui du centre de santé secondaire de Diaz, toujours sur le budget municipal. Sans oublier le centre socioculturel, dont les travaux également s'accélèrent. Nous avons également, dans le cadre de ce budget, nous allons ajouter 12 autres salles de classe, ce qui fera ans. Nous allons également ajouter un autre, d'autres linéaires de piste nous allons en ajouter 10, ce qui fera certainement 18. Toujours sur fond propre de la mairie. Les lampadaires, nous en ajouterons cette année. Peut-être ça va même dépasser largement ce qu'on avait fait l'année dernière. Nous allons également compléter les PRN. On en a 38, on en ajoutera une dizaine, mais je pense qu'après, on va, s'arrêter. Parce que, puisque déjà nous sommes la première commune, la commune la mieux servie en PRN au Sénégal, Certainement, nous allons attendre les autres communes pour voir maintenant comment, comment continuer dans ce sens. C'est dit, monsieur l'adjoint sous-préfet, que dans l'effort de mise à niveau infrastructurel, la commune de Jeff est en train de jouer sa partition. Avec un budget qui est déjà à 3 milliards, 3,2 milliards, avec en 2023 un taux de recouvrement exceptionnel de 95,12%. En dépit des efforts de la commune, il reste énormément de choses à faire à Dias. C'est pourquoi nous comptons beaucoup sur un programme exceptionnel de mise à niveau infrastructurel. Et ce programme ne peut être fait que par l'État central. Je sais, monsieur le sous-préfet, que nous pouvons compter sur vous pour transmettre au niveau du gouverneur, représentant du chef d'État et du gouvernement, ce besoin essentiel d'accompagner Dias pour un rattrapage, une mise à niveau infrastructurelle, c'est d'autant plus que, plus que pratiquement tous les grands projets de l'État convergent pour niveau de cette Je sais que le président de la République et l'ensemble du gouvernement aideront dans la prise en charge de nos préoccupations que nous sommes en train de dérouler dans la totale transparence, avec le double souci de synchronisation du développement local et national. Cette prise en charge des préoccupations et légitimes inquiétudes de Yes passe par des réponses aux facilitations attendues de tous, de tous les ministères pour le développement de notre localité. Localité que le destin a placée parmi les locomotives du Sénégal, les locomotives les plus sûres du développement national. Quand on a l'aéroport et le port, on est à la fois la porte maritime et aérienne du Sénégal. C'est indéniable. Quand on a la plus grande zone économique spéciale, on est le poumon industriel du Sénégal, c'est indéniable. Quand on a des agro-business, des, structures d'agro-business dans le pays, ça veut quelque part que l'agriculture également et peut se développer et doit continuer à se développer dans cette localité. Développer IAS, c'est faciliter le développement de notre pays. C'est sans doute la raison qui a poussé le professeur à mettre un focus sur IAS. Monsieur le coordinateur, vous avez compris que Jas est une des locomotives du Sénégal. C'est pourquoi vous avez démarré la cause de la première pierre des 5 grammes au niveau de la commune de Jas. Je prie pour que cette semence soit porteuse des graines de réussite, des graines de la réussite de notre noble mission qui est de porter, de votre noble mission qui est de porter national. Monsieur l'adjoint au sous-préfet, au-delà de c'est toute la région de Thiès qui s'honore de d'avoir un gouverneur qui est à l'écoute. Vous pouvez lui transmettre nos remerciements, et félicitations pour l'excellent travail qu'il est en train de faire dans l'inclusion et l'équipe. Vous pouvez également demander au gouverneur de transmettre nos remerciements et félicitations au président de la République qui est en visite de Parma le président Pascal Diomaye de et lui dit qu'il faut compter sur le maire et tout le conseil municipal de Niass pour, dans le respect des lois, règlements et attributions, aider humblement à l'œuvre de construction nationale. Le Sénégal est un et indivisible. La commune est un des membres de l'État et la commune doit tout faire pour être en synchronisation avec ce qui se fait au niveau national, mais également doit tout faire pour être à l'écoute des populations afin de transmettre, euh, n'est-ce pas, les informations, mais également d'agir en totale responsabilité. C'est ce que nous avons toujours fait et c'est ce que nous allons continuer. Je peux donner juste un exemple, Monsieur le Président. Le projet de Paul d'Agafolpa, depuis deux ans, le maire de Diaz n'a posé aucun acte là-dessus. Nous avons suspendu en deux ans la délivrance d'actes dans le pôle d'Agroholpa, qui était déjà titré par l'État du Nous étions déjà dans la suspension de la procédure. C'est pourquoi la nouvelle mesure vient recouper ce que nous avons fait depuis deux ans. L'autre aspect, en suspendant, nous avons également mis une dose sociale. La dose sociale, c'était quoi Les populations qui ont des actes au niveau de ce, de ce site, il fallait les rassurer. Nous avons créé un cachet chaque fois qu'on faisait un peu de vérification, on y ajoutait un cachet en disant cette zone ne peut pas encore être régularisée. On attend juste d'harmoniser avec l'État. Ça, c'est pour éviter les conflits. Parce qu'aujourd'hui, un, propriétaire qui avait vendu dans ce site, pour qu'on ne le livre pas à la mairie populaire, pour qu'il n'aille pas dans les convocations juridiques, nous avons dit qu'il faut rassurer les différentes parties en leur disant que c'est une zone en stand-by, en attendant d'y voir clair, en attendant de voir l'option stratégique que l'État a mis en place. Et Dieu sait que cette cachet a permis de stabiliser beaucoup de choses parce que nous en savons quelque chose. Pour finir, je pourrais dire que vous pouvez compter sur nous. Vive le Procassin, vive la mairie de Yass, vive notre cher pays de Sénégal. Je vous remercie de votre attention nga rencontre bi ci may monsieur le gouverneur de la région de Thiès monsieur le préfet du département de Mbour monsieur le sous-préfet de sinja et son action si présent qui représente toute l'administration régionale monsieur le coordonnateur du, Pro, du monsieur le coordonnateur du GRAP de Grand Dakar yi monsieur le maire de la commune de Thiès et toute son équipe municipale Monsieur les chefs de village monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Thiès messieurs les imams Monsieur les chers invités nous ngi yëkkati de wala ci délégation chef de village la commune de man Moussa un en chef de village de Bandia a rek ci li nga xamé suis ñu dajalé le 2 mai 2024 je ci commune de ma wax ni mu wara une date historique li la pose de la première pierre

ba critères yi nga xam ne mooy war a mën a permettre une commune mu bokk ci programme boobu yàlla boole ci la commune de Diass loolu mu nekk ndam bu rëy rëy rëy man xawma critères yi nga xam ne ci la ñu sukkandiku ba war a def une sélection par rapport a ces communes waaye li wér te wóor mooy critère critère bi ma nga xam ne war naa ko mën a wax booy booy ngeen am manam commune bi am un maire bo xamni am xam am na xam-xam mu doon maire bo xamni amna am na vision mu doon maire bo xamni ne bëgg na askanam mu doon maire bo xamni li am na li tax ñu jox ko une maire loolu xamna ni ci critères yi la bokk moo tax ñu tànn la commune de Diass parce que le maire de Diass c'est un homme visionnaire nit la bu xam bopam bu xam askanam bu xam li nga xamni mom lañ ko tey nous avons la commune de Dias parmi ces 38 communes du Sénégal le 23 août 2023 avons eu une rencontre avec les chefs de village et l'équipe municipale et les imams de salle de délibération de Dias. kon Procasef nous na nous, kon mu une fierté pour la commune de Dias defe naa xam ngeen ne suuf yëngu na suuf yëngu na yaa ngeen yëngu waaye gën maire wax na fi benn kàddu léegi boo xam ne bu dal sama xel au passage Mangi ngi ñaanal notre cher gouvernement bi nga xam ne moom la installé en 2024, mille le gouvernement de Diomaye Faye avec son premier ministre monsieur Sonko. Parce que nous sommes destinés du Sénégal d'ici 5 ans. Je me dis que nous avons des nous des familles nous des lignes nous ont fait des souffres, et des lignes qui nous ont fait gérer des souffres. Pour le maire, je vais la zone, le pôle d'Agoholba, là où nous avons fait Araf depuis deux ans, nous donnons une fierté, nous donnons une dalle sur ma tête. Pour le maire, je vais vous

ci gestion bi nga xam ne noonu ngay gérer la commune de Diass ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax a baax di wax ne on accueille le pro le Procasef à bras ouverts ci biir ci biir commune Diass parce que le maire xam na l'enjeu du foncier balaa muy ñëw Diass te xam na ne les chefs de village sont les premiers partenaires de la mairie de Diass donc par rapport à ça il a organisé les chefs de village par rapport à la gestion de leur village, mais par rapport à surtout la gestion du foncier. Parce que le village bu si ne am na benn kuréel boo xam ne taxawal nañ ko fa ba lépp loo xam dañ ko yëkk ci wàllu suuf fait, la les différentes couches de la population du village nous ñu ko ba am vraiment on est prêt pour travailler avec le PROCASEF pour accompagner le maire par rapport à ce programme là. ñu ngi gërëm bu baax di sant ndax li ci ëpp ci maire wax na ko par rapport à son programme ci deux yi nga xam ne moom la géré la commune de Thiès yaakaar naa ku gis xarkamu mairie bi nga xam ne vraiment on a un maire bi nga xam ne war nañu wax ne c'est un excellent maire ñu ngi gërëm bu baax di sant di wax ne population yi vraiment pare leen lii nga xam ne moom lañ leen indi pour mëna ñongal seen suuf la pour mëna dëgëral seen suuf pour mëna xamal seen bopp ne suuf dafa am fuñ ko jaarale pour nga mën ko gérer loolu mooy ñu progressat bi nga xam ne mooy programme bi nga xam ne moo ñu dalee tey kon kàddu yi ñu bëgg gudd maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala Merci beaucoup. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Signon, Monsieur le maire de la commune de Dias, notre cher John, Madame, Monsieur le chef de service à vos et qualité, Monsieur le directeur général de l'entreprise ETG Monsieur le chef de l'URM de la grappe du Grand mes chers chefs religieux et coutumiers, chères populations de Dias, chers invités, mesdames, messieurs. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et qui consacre le lancement des travaux du bureau foncier de la commune de Dias transcende le simple symbolisme pour s'ériger en jalon crucial du projet cadastre et sécurisation foncière PROCASEF. En mettant en œuvre le PROCASEF, l'État du Sénégal, avec le concours financier de la Banque mondiale, a décidé d'ouvrir une perspective nouvelle dans la gestion foncière en renforçant les capacités opérationnelles de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre d'un national et en améliorant sensiblement la sécurisation foncière dans nos communes. Cette tâche, vous en conviendrez avec moi, est loin d'être aisée au regard des multiples enjeux qui structurent la gestion foncière dans notre pays. En effet, le Sénégal, à l'instar des pays en développement, souffre de ce que l'on pourrait appeler valablement la tyrannie du foncier marquée par une superposition d'une cosmogonie traditionnelle liée à la terre et d'une réalité moderne qui se structure autour d'un nouveau mode de vie urbain. La prise en charge de cette réalité clivante demeure cruciale au regard du rôle prépondérant que joue l'agriculture dans la vie socio-économique de notre pays par sa contribution pour 10 à 13 du PIB et l'utilisation de près de 65% de notre population active. Cependant, nous convenons tous que cette part contributive de l'agriculture reste en deçà de nos objectifs d'atteindre la souveraineté alimentaire si les facteurs liés à ces situations sont multiples, il reste indéniable que l'absence d'une gestion foncière optimale en milieu rural en constitue un déterminant non négligeable. Dans ce même registre, dans les zones fortement urbanisées, la question foncière est devenue une poudrière grosse de tous les dangers. Mesdames, Messieurs, l'État du Sénégal, pleinement conscient de ses enjeux, a mis en œuvre diverses initiatives pour sécuriser et moderniser la gestion foncière, notamment à travers la mise en place d'un cadastre. Le Procosef a dans ce sens développé plusieurs actions qui lui ont permis au cours de ces deux dernières années d'arriver à des résultats probants au nombre desquels figure le lancement des travaux du biofoncier de la commune de Dias qui nous réunit aujourd'hui. C'est au demeurant, précisément dans cette optique qu'il faut comprendre l'important travail de coopération et de partenariat entre dans le cadre d'un dialogue multi-acteur entrepris dans le cadre d'un dialogue multi-acteur incluant la société civile, les autorités déconcentrés, les autorités décentralisées, les organisations socioprofessionnelles, les écoles de formation, les universités et ainsi que nos voyantes populations. Les expériences partagées par nos partenaires, telles que l'Association des maires du Sénégal, la direction du CARAS, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire ANAC, ainsi que les leçons tirées du Pédilas et du Pakasen rural et l'expertise de l'ASEA de l'Université de ont été déterminantes. Elles nous ont permis de jeter les bases nécessaires pour entamer le processus de développement d'un système d'information foncière, à la formation d'agents fonciers compétents et à l'acquisition de technologies de pointe telles que les images satellitaires et aériennes mais aussi la modernisation de notre réseau géologique national. Mesdames, Messieurs, dès le début de mon intervention, j'ai souligné l'importance de cette cérémonie d'aujourd'hui, qui constitue une étape importante dans l'évolution du PROCASEF. En effet, la construction de bureaux fonciers opérationnels dans la chaîne foncière revêt une importance stratégique tant pour les agents de l'administration que pour les, les usagers du service public. Au-delà de son aspect physique, le bureau foncier constitue un écosystème de sécurisation de domaines et de services. Vous aurez remarqué que le Proconseil s'est évolué d'abord à construire le contenu immatériel des bureaux fonciers par des investissements conséquents dans la formation des agents fonciers qui en constituent l'épine dorsale. De plus, des investissements seront consentis pour moderniser et sécuriser l'environnement de travail au niveau des 138 communes cibles, notamment par l'acquisition de mobilier de bureau, de matériel informatique, l'installation de connexions Internet et si nécessaire l'électrification. Ces infrastructures sont essentielles pour garantir l'efficacité, l'accessibilité et la fiabilité des services fonciers et ainsi à promouvoir, contribuent ainsi à promouvoir une gestion foncière transparente, équitable et, efficace. En outre, la construction des bureaux fonciers joue un rôle essentiel dans la dématérialisation des procédures et la mise en place d'un système d'archivage sécurisé des dossiers au niveau des communes. Il faut le reconnaître. Ces bureaux, ces bureaux fournissent un espace physique dédié à la gestion des documents fonciers, facilitant ainsi la transition vers des processus administratifs numériques. Cette dématérialisation améliore l'efficacité, la rapidité, la transparence des procédures renforçant ainsi la confiance dans le système foncier. Enfin, un système d'archivage sécurisé, garantit la, la conservation et l'intégrité des données foncières, favorisant l'accès aux informations pertinentes pour une prise de décision éclairée en matière de gestion foncière. C'est pourquoi nous félicitons notre entreprise partenaire EPGB SRL chargée de la construction de ce bureau et l'exhortons au respect des délais de construction et à la délivrance d'un ouvrage de qualité. En vérité, il s'agira juste d'un rappel car il est pédagogique. Je suis persuadé qu'avec notre bureau de supervision, dirigé par l'infatigable et le très sérieux Carvalho, il ne peut en être autrement. Mesdames, Messieurs, je voudrais, à l'épilogue de mon propos, remercier vivement tous les partenaires ici présents, notamment l'Association des maires du Sénégal et plus particulièrement le maire de la commune de Gas, notre cher Maurice et toute son équipe municipale. À ces remerciements, également à toute l'administration territoriale représentée aujourd'hui par le sous-préfet de l'arrondissement de Sintet. En effet, la commune de Dias construite par sa position géographique une zone de transition entre le périurbain de Dakar dévoreurs d'espace et la région de Thiès, sujette à la rapides du fait de l'autre à et de l'aéroport international président de GAS. Cette position stratégique de GAS aiguise bien entendu tous les appétits et fait de la commune le lieu privilégié d'une très grande compétition pour l'accès et le contrôle des ressources foncières. Gaz métropole de l'avenir, doit pouvoir anticiper sur les grands défis du foncier et je reste convaincu que ce bureau foncier jouera un grand rôle dans la prise en charge correcte des besoins des sous-chargés de cette prometteuse commune. Madame, Monsieur, je vous invite ainsi à conclure ensemble à l'unisson avec ces propos de ce chef coutumier nigérien qui, lors d'un colloque sur le, sur foncier tenu à Niamey en 1995, soutenait que la terre appartient à une vaste famille dont de nombreux membres sont morts, quelques-uns vivants et d'innombrables à Je vous remercie de votre aimable attention. De la commune de Monsieur le coordinateur du Monsieur le représentant des maires des grandes communes, Monsieur l'ancien maire de Dias ici présent, euh, Monsieur le chef de village, Monsieur l'architecte du Procasef, Monsieur l'entrepreneur en charge du projet, Monsieur le commandant de brigade de Dias, le représentant de SCOS, de celui du et des eaux de forêt. Mesdames et messieurs les invités à vous, et grave. donc je vous dis bonjour. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer cette pause première pierre du bureau foncier de GAS. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter Monsieur le maire de GAS, qui s'est pas pris, je le pense bien, reçoit la construction, bien le démarrage de la construction de ces bureaux fonciers à travers les 137 communes des 14 régions du Sénégal. Donc c'est un honneur et je voudrais que vous applaudissiez vraiment pour votre maire. Voilà. Aussi féliciter les troupes qui ont eu à nous gratifier une prestation de grande facture parce que nous avons vu, n'est-ce pas, la culture, bien l'histoire même de la commune de Dias qui nous a été retracée. Et là, moi, j'ai eu à retenir que c'est un village, c'est une, commune qui est dynamique et qui, à travers l'Afrique, a fait un cheminement jusqu'à s'installer dans cette zone. Et je peux dire aujourd'hui, son nom est international. Parce que quand quelqu'un vient des Amériques, il se dit certainement que je vais prendre des départ au niveau de l'aéroport international de Jazz. Donc il faut être fier de ça, être fier aussi des actes que pose vraiment cette communauté, cette municipalité. Euh, féliciter aussi le coordinateur, vraiment du projet et dire que peut-être que ils ont eu à démarrer depuis longtemps des activités. Et maintenant, c'est important aussi de mettre sur place ces infrastructures. Et cette infrastructure entre dans le cadre général du politique de l'État. Parce que nous voyons que maintenant, par rapport aux foncier, il y a beaucoup de conflits. Et pour ce conflit, il est important vraiment de mettre vraiment à disposition c'est un intrants, parce que je vais l'appeler intran, parce que le PROCAS va accompagner les communes à gérer globalement les fonciers et à vraiment faciliter leurs tâches, surtout dans la délivrance des actes et autres. Donc, dire juste que par rapport un peu à la population, que vraiment, nous espérons vraiment que les travaux se feront le plus rapidement possible et que dans les jours à venir, dans un avenir proche, nous aurons à ah, inaugurer vraiment euh, une, infrastructure de dernier cri avec des commodités qu'il faut, comme vous l'avez dit, et aussi vraiment des, éléments informatiques qui vont aider vraiment à la gestion vraiment de ces, conflits. Bon, je ne vais pas terminer sans féliciter la coopération de Yass. Leur votre nom est inscrit dans l'histoire du Sénégal. L'aéroport que vous avez ici au niveau de Dias est un aéroport vraiment au niveau mondial qui nous rend une fierté, nous rend fiers d'être sénégalais. Parce qu'on se dit qu'à un moment donné, les gens, les, ont pensé qu'il faut que le Sénégal se donne infrastructure aéroportuaire de cette envergure pour entrer vraiment dans, la, de ce qu'on appelle les grands pays qui ont, ces, infrastructures qui permettront de soutenir le développement de leur pays. Donc vraiment, moi, je suis fier en tant que Sénégal d'abord et fier pour la population de Dias par rapport à cette infrastructure. Vous dire aussi que ce projet est là pour la population l'État, pour juger un peu l'aspect conflit de, cette de, du foncier, voudrait vraiment que la population s'engage dans le processus d'attribution, même de l'acquisition de ces terres. Nous voyons très souvent qu'il y a beaucoup de conflits dans les zones que nous avons visitées. Et l'État voudrait vraiment que la population s'y implique. Et là, je vois que la mairie, avec les décisions qu'ils ont eu à prendre avec les chefs de village, cette collaboration-là, apparemment, donc la, population est impliquée et que dans, dans un avenir proche, certainement, nous aurons à évoquer cette démarche participative et inclusive de la population dans ces, euh, dans ces problèmes Donc, euh, pour ne pas être trop long, je vais m'arrêter là tous féliciter tous ceux qui sont, sont déplacés pour venir à cette inauguration. Et certainement, nous allons poser la première pierre et que ceux qui sont présents aujourd'hui sont entrés dans l'histoire comme quoi, donc ils ont passé, ils ont été présents au moment où on connaissait vraiment cette euh, Donc, je vous remercie et espère vraiment que très bientôt nous allons revenir pour faire l'inauguration vraiment de cette euh, de dernière crise, je pense bien. Et puis aussi, monsieur le maire, vous dire que vos doléances seront transmises à qui le droit et qu'éventuellement, euh, en haut lieu, les gens seront réfléchir là sur les questions que vous avez à poser et vous apporter des, des réponses doivent et euh, dans un grand bon environnement de la population de Yes. Merci. Je vous remercie de votre aimable attention.